masi windi windi toga siri siri zamde duni walagin cheri cheri kai tunge mondi emsi hay kawai borno ay masi mollo mollo toga donu donu ni bumboga baikani dongano gono sur cette émission chocolaté dondi la machine te souhaite la bienvenue sur cette émission une fois de plus. Ça va bien, ma soeur Oui, ça va très tu bien. Tu es en forme aujourd'hui, tu n'es pas ah, là pour me déchirer ou m'arracher. Ah non, non, non, non, non. Ça, va, Je suis en sécurité Oui, bien sûr. On va parler aujourd'hui de ta carrière. On va parler de ton premier single. On va parler de ton deuxième single. On va parler de tes projets, de tout ce qui va avec ta musique. Parlons de tes débuts. Il y a cela déjà trois ans, tu as commencé à faire la musique au Niger, n'est-ce pas Ils font le Sintinda, chocolaté. J'ai commencé par euh, faire euh, un concours de, chant. Concours de chant au Dimat ouais. Eh, tremplin jeune talent au Niger. Tremplin jeune talent, aucun ouais, Mr. c'est Art Record. Oui, ah. J'ai participé dedans et puis voilà, bon, ça n'a pas été facile en tout cas. Je suis sortie lauréate. Waouh! Donc, tremplin jeune talent au nom Voilà. Musico Bumbo Bumbora. Oui. Chocolaté. Tremplin jeune talent il faut nous présenter quand on est lauréate. Ok, <laughs> c'est un, son... reggae là que j'avais fait. C'est quoi le son reggae là que tu as fait Ok, ok. Beaucoup de fausses familles, je les vois tous, on se connaît tous. Mais quand c'est croise, c'est sourire. Mais au fond du cœur, c'est pas ça. Mais pourquoi faire semblant d'aimer ton prochain l'œil que c'est pas ça Je suis de barre barre ma vie, moi je suis de gagne gagner ma vie. On m'appelle pour ta vie. Parce que je vois ces imbéciles, ces jaloux, ces hypocrites, ils sont toujours là. Et tu vois les putas, putas, putas <laughs> Chocolaté. Euh, non, la meuf, je la kiffe. Hein. elle a les flots, je vous dis, elle assure qu'on pas possible. Ce hein, C'est pas de la blague, elle est venue pour <laughs> déménager. Chocolaté. Wesh. Ça, c'était le tremplin jeune talent. Mhm. Après, maintenant, le concours, puisque tu mhm. as été lauréate, mhm. qu'est-ce que tu as fait c'était quoi ta première sortie partant déjà du tremplin Après le tremplin, qu'est-ce que tu nous as livré Ok. Euh, j'ai sorti, comment dirais J'ai un son là avec, le, avec son clip. Le titre c'est Peur de moi. Peur de toi Ouais, tu as peur de moi. Ok, moi Wesh. Ah, parce ce que j'ai peur de toi Ah, eh, un eh, ah. <laughs> ok, d'accord. Donc, peur de toi, non, tu as fait sortir peur de toi. Wesh. Ok, d'accord. Et peur de toi, c'était quoi le truc hein? C'est pour un peu effrayer euh, ouais, c'est pour les filles ou bien les mecs euh, Ou tout, le monde, tout, le monde Tout le monde. Moi, moi je fraye tout le monde. Moi, j'agresse tu es agressif, tu es why, indienne. <laughs> Allah, <laughs> <laughs> Ok, d'accord. de moi. Mhm. Ok. En dehors de ça, qu'est-ce que tu nous as encore livré en dehors de euh, et, et, euh, aussi le remix de Kaldasam Kaldasam Ouais, le son à Barakina. Ouais, ouais, j'aimerais en voir un peu quelques flots de ce son-là, le remix que tu as fait, s'il te plaît, allez sur cette émission, on y va. <laughs> ok. Ok. Aïbé ben, ma tabay ma zuru. Uh-huh. Ben, tabay Ok. Kanine. <laughs> Ah, j'ai oublié. <laughs> Tabay ma on est. Ah, non, non, tu vas pas veux pas le faire. J'ai oublié. Tu veux pas le faire, tu veux pas le faire, tu veux pas le faire. Et pourquoi cette inspiration Pourquoi tu l'as fait là C'était osé. Hein, bah, au fait, non, non, non, non. Quand j'avais écouté le son, au fait, euh, euh, celui de Barakina, je me suis dit, ah, mais le gars là, il a clashé les filles, hein. Ouais. Mais pas comment Ah ouais, et toi, tu as répliqué Ouais, j'ai appliqué, et puis voilà. Je suis parti au studio, du coup. C'est sur place même que j'avais fait même la Lui, Barakina, il a attaqué un peu les meufs. moi aussi, j'ai attaqué les meufs. attaqué l'évêque Ouais. C'est comme ça. Ah, donc, à euh, Fumbo douce <laughs> Fumbo douce. Fumbo douce. Ni sidara. <laughs> ok, d'accord. Voilà, oui, En dehors de ça, euh, j'ai vu aussi sur les réseaux sociaux récemment chose pour laquelle on t'a sollicité un son qui va sortir avec Marie Diallo. Marie Diallo, on l'a une fois reçu sur cette émission pour parler justement d'elle. Uh-huh. Alors, c'est quoi ce, ce, son-là Parce bourse Noir en Fournda. Expliquez-moi, il faut nos types, il faut nos sons au Nikangabago. Ouais, le titre c'est Inaski. Inaski. Mais Noir en On est à leur recherche au fait. Mais hein. eux. Eux. Eux. Les mecs Quand sont micro. Ah. Ouais. Il y

in tada musu hankali in raina musu hankali in koya musu hankali a lokacin na nace kuma ba wata jaruma <laughs> kai haba ba ni da kirkin ni kuma ba ni da kunya ni haka na nake na nake nake na nake haka na nake kai Là où elle est dingue, au fait, elle n'atteint même pas le boucle, elle n'atteint même pas le beat. Elle commence par papa Puis elle récupère le beat, elle l'amène, elle lui donne une elle fait dire qu'elle a envie de faire. Ah, j'aime bien cette go. Nous sommes à la fin. Nous, nous croyons en toi, moi je crois en toi. Mm-hmm. Ok Moi, je sais que la musique a de l'avenir, je sais que tu as de l'avenir dans ce mouvement hip-hop Mais du Niger. Ok, d'accord euh, Je t'encourage beaucoup. Merci beaucoup. L'instant maintenant est solennel. Tu as une minute de temps d'antenne. Mm-hmm. Un message très très fort un message de soutien. Si tu as une page qui est déjà disponible, un compte YouTube, tout ce que tu voulais dire pour faire ta propre promotion sur cette émission, faire la promotion de la musique nigérienne, ben Dondi te donne la possibilité de le faire. On est allé chocolaté Ok, bon. Pour commencer, allez-y vous abonner à ma page Facebook. Euh, le nom, c'est tout simplement Chocolaté Officiel. comment on l'entend. Ouais, C-H-O-L-A-T-E. Ok, ok. Voilà, t e, Chocolaté Officiel. Tu es sur ma chaîne YouTube aussi chocolaté tout court. S-H-O-K-O-L-A-Grand T. Voilà. Donc, Et du puis, coup, abonnez-vous. Partagez, partagez, partager, partager, partager, partagez. le tout dernier sortie, en fait. La toute dernière sortie. D'accord. Maintenant, chocolaté, message pour nos c'est misali ga ran fan et ga kul kan gwan kandana bar kan gin saran pour que Niger musique au rap ma makade de ok bon message auquel ga tonan du dos, que vraiment il irga bagayen quoi, Tu veux dire c'est quoi, vraiment parce que irhin ne irsin gir bonga quoi irsin kondir bon quoi il y a nir tutayno quoi hmm. donc vraiment on a besoin de, de l'aide et aussi je remercie aussi mes fans et quand toujours il bandés, bandé voilà le message merci beaucoup infiniment et que voilà on est ensemble quoi kasu bitura rek to irfan wo bordanjo hmm. don di machine wo samude ni congé eh